Vous savez, ces fake news ou ces fausses informations sont euh, diffusées et partagées sur euh, les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, Instagram, euh, WhatsApp, YouTube, etc. Alors, pour un professionnel surtout, c'est de vérifier. Il faut toujours avoir le réflexe de vérifier une information. Une information qui est publiée sur les réseaux sociaux euh, doit être juste une source d'information pour un professionnel. Et même si on n'est pas euh, un professionnel, on doit prendre le temps de vérifier qui est l'auteur de cette information, qui l'a balancée, pourquoi il l'a balancée, quel est l'objectif visé, quelle est l'utilité de cette information, qu'est-ce qu'elle vise comme objectif. Donc, si on prend le temps de faire ce travail minimum, donc on peut quand même comprendre d'abord euh, de quoi il s'agit par rapport à cette information et on peut aussi non seulement vérifier et réduire la propagation de ces fake news ou de ces fausses informations. L'idéal, c'est toujours prendre son temps pour quand même vérifier qui est l'auteur de cette information, pourquoi il l'a balancée, quelle est son utilité, qu'est-ce qu'elle vise comme objectif. Voilà.